le forum du studio le forum du studio le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le le forum du studio le forum nous sommes vendredi, merci d'être au rendez-vous hebdomadaire, le forum de la presse que nous consacrons et au décryptage de l'actualité de la semaine avec des confrères des médias de Niamey. Aujourd'hui, nous allons tout d'abord parler de la réception mardi de l'aéroport Diori rénové et de l'inauguration de l'hôtel présidentiel Radisson Blue de Niamey. Aussi, il sera question de la fermeture possible de la Société des brasseries du Niger, Braniger et d'Unilever, la société de fabrication de savons, parfums et autres produits d'hygiène, ainsi que du rachat envisagé de la filiale d'Orange Orange Niger. Les différents dons étrangers à l'État du Niger feront aussi partie de cette euh, émission. Pour échanger sur ces sujets, nous recevons El Haja Soleiman Mahamadou du journal en ligne Niger Inter. Bonsoir. Bonsoir. Gary Amadou, journaliste au quotidien La Nation. Bonsoir à vous. Oui, bonsoir. À la présentation, fils Adam. Bonsoir à tous. Le président Issoufou Mahmadou a réceptionné mardi l'aéroport international Djori Hamani de Niamey, un aéroport modernisé pour 101 milliards de francs CFA afin de répondre aux normes internationales dans les perspectives du sommet de l'Union africaine que le Niger va abriter du 7 au 8 juillet prochain. Ella Souleymane, je commence par vous. Euh, quelles sont les avancées constatées avec cet ouvrage coûteux, si on peut le dire euh, Merci bien. Euh, on comprend davantage euh, les réalisations et l'innovation, surtout quand on voyage. Mm-hmm. C'est que Ceux qui voyagent, quand vous arrivent dans les aéroports, vont voir vraiment que ça a euh, changé. On n'a pas ça à Niamey. <laughs> Maintenant, quand tu reviens, tu vas voir effectivement, c'est la même configuration, c'est le même décor qui est là. Mm-hmm. Ou même souvent, tu vas quitter l'aéroport, parce qu'aujourd'hui, c'est possible. Vous rentrez directement dans l'avion. Euh, donc euh, ça c'est visible, euh, on n'a mhm. pas besoin de, commenter. donc c'est-à-dire que véritablement, le souci de, de, tout le monde, quand tu vois chez quelqu'un, tu vois de bonnes choses, tu as envie d'avoir ça chez toi. C'est une fierté tout simplement personnelle et aussi nationale ici, dans, mhm. le, Cap dans mhm. Donc il me paraît évident que c'est une très bonne chose euh, notre pays, on a besoin en tout cas d'avoir de, ces franchement, c'est-à-dire que c'est suivre le rythme du, monde. Mm-hmm, mm-hmm. Euh, aujourd'hui, quand je vais, quand je viens à Niamey, et je suis sûr qu'aujourd'hui, c'est ceux qui vont venir, les Nigériens qui viennent de la diaspora, ou bien les visiteurs du Niger, ceux qui sont venus au Niger avant, quand ils viennent, ils vont effectivement constater que mm-hmm franchement, on est très avancé au niveau donc, de l'aéroport Jouri Hamani. Donc, bref, vraiment, ça se passe de tout commentaire. Euh, mhm. euh, nous sommes dans une situation où on a eu l'opportunité mhm. euh, véritablement d'harmoniser notre aéroport par rapport aux normes internationales. Mhm. Et ça, je pense que même en termes de sécurité, ça vaut la peine. Donc, en dehors de toute spéculation stérile, je considère que c'est fait dans un format partenariat public-privé et ça aussi, c'est une recette euh, que les, vous avez dit, on a investi 101 milliards. milliard, Aujourd'hui, il me paraît évident que les priorités de l'État du Niger ne sont pas justement euh, pour faire un tel investissement. Mais si on a quelqu'un qui va le faire dans des conditions où vraiment le pays peut tirer, en tout cas, davantage, je pense qu'il n'y a pas vraiment à spéculer le choix est fait. Et c'est ce qui a été fait. Alors, Garé, euh, selon vous, quelles sont les opportunités qu'offre euh, cet aéroport de l'immédiat, mais aussi euh, à court et moyen terme Oui, de l'immédiat, d'abord, cet aéroport va permettre d'accueillir quand même ceux qui vont venir, les 4000 délégués qui vont venir. Ah oui, et les chefs d'État qui vont venir pour le sommet de l'Union africaine. Mais on construit une, infrastructure, pas seulement pour un événement. En réalité, les autorités de la République, quand elles ont décidé qu'il fallait que le Niger se dote de tels moyens, mhm. de telles infrastructures, ce que ça va au-delà de, de, de c'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec, avec les hôtels qui sont en train de se construire, parce que l'hôtel présidentiel, par exemple, ce n'est pas le seul, il y a plusieurs hôtels qui sont en train d'être construits. L'aéroport ultra-moderne, qui, est considéré déjà comme l'un des plus beaux de la sous-région. Ça, c'est les spécialistes qui le disent, l'un des plus beaux. Ouais, oui, oui, c'est ça qui... Donc, avec cet aéroport-là, c'est-à-dire que le Niger peut accueillir d'autres grands événements. Mhm. Donc ça nous fait une ouverture. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on veut organiser un sommet sous-régional, on n'a pas besoin de partir à Abidjan. On peut l'organiser à Niamey. Mhm. Niamey a les hôtels, Niamey a un aéroport ultra moderne qui n'a rien à envier aux autres aéroports. Et vraiment, on est dans des conditions où on peut vraiment être fier d'accueillir des, des, On peut le dire aussi que toutes les commodités sont réunies dans cet aéroport. Mais c'est clair, cet aéroport-là, c'est... Vous savez, moi, je j'ai visité l'aéroport, euh, mhm. enfin, j'ai transité par l'aéroport Blaise Diagne de Dakar, qui, qui est construit par les mêmes Turcs, Souma. Mais je vous assure que l'aéroport de Niamey, c'est formidable. C'est une fierté. Non, c'est autre chose parce que eux-mêmes, ils ont dit, ils ont dit quand ils allaient construire, ils ont dit non, non, l'aéroport de Niamey va être plus beau que le Blaise Dagne. oui, oui, ils l'ont dit, ils l'ont dit. Et, ça, les gens ont constaté. Franchement, quand vous rentrez dedans, non, vous êtes fiers. Mhm. Avant, quand on venait des voyages, avec les étrangers dans un avion, quand on a tiré à Niamey, on a un peu honte. Vous savez, non, mais parce que l'ancien aéroport, c'était vraiment. Ça fait pitié, quoi. Vous comprenez Non, on a honte quand on entre avec les étrangers pour faire les formalités. D'abord, le toit est là, tout juste à côté de la tête, n'est-ce pas Et puis, vraiment, c'est des trucs un peu. Euh, vous sentez comme si c'est des, des, chambres qu'on a un peu C'est une grande avancée pour le Niger. Mais c'est clair que oui. l'hôtel présidentiel Radisson Blue 5 étals aussi, euh, construit par la société Souma pour 30 milliards, a été inauguré le mardi également Selon le directeur euh, du Centre national de promotion touristique Anafi Suleiman, cette infrastructure représente une opportunité pour le secteur touristique nigérien. Je vous propose de l'écouter d'ailleurs. Cet hôtel, avec sa capacité et ce centre international de conférence, aura un impact très significatif sur l'offre touristique nigérienne du moment où il augmente la capacité d'hébergement du Niamey. Il augmente aussi notre image comme destination d'affaires parce que les conférences internationales sont une activité éminemment touristique. Vous savez que depuis un certain temps, le Niger, du fait de certaines euh, données sur l'insécurité, est en train d'être placé en zone rouge ou orange. Et donc, euh, effectivement, pour contourner cela, il fallait faire la promotion d'un tourisme d'affaires. Le tourisme d'affaires, c'est les conférences internationales, les festivals internationaux, les championnats sportifs internationaux. Euh, c'est sur ça que nous misons beaucoup pour faire de Niamey une destination touristique internationale qui peut rivaliser avec les grandes capitales qui accueillent tous ces sommets-là. Alors, Garé, selon vous, cette euh, infrastructure, est-ce qu'elle va réellement permettre euh, au Niger de développer un tourisme d'affaires Puisqu'on le sait, le tourisme visuel euh, n'existe plus, si on peut le dire, à cause de l'insécurité dans le nord, au sud et à l'ouest. Mais c'est clair, Je sais ce que je vous disais tout à l'heure quand, mhm. quand dans mon intervention. Je vous disais que ces infrastructures-là vont permettre au Niger d'accueillir d'autres grands événements. Mhm. Et avec cet hôtel-là, euh, qui est majestueux, qui domine la ville, mais qui est superbe, vraiment, c'est autre chose. Mhm. C'est-à-dire que là, on a toutes les conditions pour recevoir des hôtes de marque. Vous comprenez c'est pas les hôtels, les petits hôtels, deux étoiles, trois mhm. étoiles là qu'on va aller Non, non, ça c'est vraiment des hôtels de grand standing. Vous comprenez, cinq étoiles, c'est pas donné à n'importe qui. Déjà, on avait l'hôtel Gawai, on a le Grand Total, d'autres hôtels. Il y a un autre hôtel qui est en train d'être construit aussi par, par des Indiens. On a des infrastructures hôtelières qui vont nous permettre, franchement, de pouvoir accueillir des gens. Parce que, comme il l'a dit, d'autres grands événements. D'autres grands événements, parce oui. qu'Anafi, eh, c'est quelqu'un quand même qui, qui, qui, est, qui, est, vraiment impliqué dans les affaires de tourisme. C'est quelqu'un qui, s'y connaît. Il a bien expliqué. Mhm en tout cas les intérêts qu'on a. C'est-à-dire que si on ne peut pas avoir un tourisme normal, n'est-ce pas, qui puisse permettre d'avoir des retombées financières, on peut avoir un tourisme d'affaires. C'est-à-dire que les gens qui vont venir mhm. lors des conférences vont profiter, bien sûr, pour visiter, n'est-ce pas, les villages artisanaux, faire quelques petits tours dans les zones qui ne sont pas zones rouges et pouvoir acheter des produits. Vous voyez mhm. Donc, je pense que franchement, le Niger a gagné. Mhm. Et je n'aime pas les commentaires des gens qui pensent que <laughs> les infrastructures, ça ne se mange pas, etc., etc. Non, non, non. Un pays, c'est ça. C'est-à-dire que il, faut, tout. il faut tout pour faire un pays. Mhm. Et les infrastructures sont très importantes. D'accord. Et là, Ousseini, le, Radisson Blue, c'est 17 niveaux, 150 chambres, 38 suites et une salle de conférence de 800 places. Pensez-vous que son exploitation rationnelle permettra un retard rapide sur l'investissement euh, J'ai vu de mes propres yeux le dimanche passé, hmm. on nous a amené avec la presse, euh, en tout cas beaucoup de confrères, pour voir avant même l'inauguration. Hmm. J'avoue que c'est ce que je vois, à New York, ce que j'ai vu récemment en Arabie Saoudite. Pour la petite histoire, j'étais récemment là-bas. Mhm. J'avais dit à un ministre du, Niger que voilà, si on a seulement l'hôtel où on était euh, en Arabie Saoudite, si on a seulement cet hôtel-là, ça suffit pour régler l'affaire de, à 2019. <laughs> Il a Et quand j'étais vraiment, je suis allé à Radisson, vraiment, on s'est dit, franchement, c'est vraiment cela, quoi, le défi qui est en train de relever. Mhm. Moi, j'ai dit encore, je, renvoie les gens euh, au livre de maman. Ma, Ahmad Ousmane, quand hmm. par ses, par ses, par ses proches. Hmm. Euh, dans ce livre-là, quand euh, euh, euh parlait à, au donc son, son, compagnon d'armes. Donc il dit, tu vois, quand il faisait l'hôtel, le palais de congrès, tu hmm. vois, les Nigériens, il faut Allah pour le gouverner parce que qu'ils sont en train de dire que le palais de congrès qu'on est en train de faire là, en fait, c'est du gâchis. Il dit que le Niger va toujours rater les grands événements parce qu'il n'a pas fracture fiable. Euh, euh, justement pour accueillir. Mhm. Et vous savez, aujourd'hui, c'est comme s'ils si a réalisé ce, ce, ce, ce cet aveu d'impuissance, mhm. parce que simplement, ce sommet-là, c'est le plus grand événement que le Niger n'ait jamais accueilli. De 50, 50 euh, chefs d'État, ou de 54, en tout cas, la majorité vont venir. Mhm, mais aussi, 4000 autres grandes personnalités du, monde. Donc, c'est dire que véritablement, une fois qu'on arrive à réaliser, en tout cas, à relever ce défi, mhm. cela veut dire que désormais, le Niger est à même d'accueillir n'importe quel événement. Oui, et donc, donc, je pense que euh, véritablement, il faut voir euh, la vision. Et la vision, quand on parle de renaissance, justement, ce que euh, de plus en plus, que notre pays, en tout cas, vous savez, quelqu'un avait dit que le développement, c'est la capacité de se mêler aux autres. Mhm, mhm. que plus désormais, en tout cas, vous savez, oh, la, la, les Sénégalais sont en train de faire leur deuxième radisson. Mhm, quand tu vas au Burkina, ici, euh, voisin, quand tu vas au Mali, quand tu vas au Sénégal, tu n'es plus complexé parce que simplement, on a. Je comprends le discours de ceux qui pensent que ce n'est pas des priorités. Mais en réalité, un État, c'est un tout un État, c'est un tout. Il va falloir aussi, par exemple, par exemple, euh, d'un point de vue en fait euh, temporel, c'est qu'un président qui est élu, son mandat il est, limité, qu'il puisse faire le maximum pour le pays. Celui qui va venir peut continuer sur d'autres domaines. Mhm. Mais de mon point de vue, franchement, il faut le, reconnaître, le pays a changé. Mhm. Aujourd'hui, en fait, on n'a pas besoin de faire un dessin aux Nigériens qui vivent dans ce pays-là, ceux qui viennent quitter moi, à hein, euh, Niamey. <laughs> du point, de vue, du point de vue sécuritaire, El Hajj Suleiman, est-ce que cela ne nécessite pas euh, de mesures euh, particulières de sécuritaire si on se rappelle de l'attaque de Radisson Blue de Bamako en 2014 Je vois un peu cette façon de, malveillante de voir le, le malheur. Vous savez, il faut le dire rapidement que, en mhm. fait, c'est un complexe que les effets d'attaque des terroristes, ils, vont, ils peuvent attaquer au corps de la présence de la République du Niger. Parce qu'ils vont se préparer pendant des années durant et ils vont agir par surprise. Donc, ils peuvent frapper partout. Ça, c'est tout simplement ce qui pourrait arriver. Et je l'ai dit encore une fois, on n'est pas dans un contexte vraiment de guerre normale. Et c'est pourquoi, moi, je dis, il faut le dire à l'endroit de tous les citoyens il faut faire attention. Ne voyez pas euh, en fait, euh, le, le, mal partout et surtout n'accusez pas un gouvernement en place parce que mhm. nous sommes vivants, en tout cas on, est là. Ceux qui vivront verront arrêter. Tant qu'on n'arrive pas à juguler la question du terrorisme de manière en tout cas effective, mhm. il va toujours avoir des surprises désagréables. Et la situation interpelle aujourd'hui ce qui se passe à Difa, ce qui se passe à Tilaberi doit interpeller les soldats pour monde collaborer pour que la main la main dans une union sacrée, en tout cas, qu'on puisse dire que euh, l'ennemi, ce n'est pas une autorité, ce n'est pas un acteur politique ou bien la société civile, mais l'ennemi commun, c'est les terroristes qui sont cachés, qui sont souvent avec nous. Il faut savoir les dénoncer, il faut savoir véritablement renseigner le FDS mhm. pour qu'on puisse effectivement préserver la, sécurité de tout le monde. Autre aspect de ce forum, euh, la seule brasserie nigérienne qui existe depuis 50 ans et filiale du groupe français Castel a annoncé la cessation de ses activités. Dans le journal l'Inquêteur d'hier, Bradiger annonce sa dissolution anticipée et qu'un liquidateur a été nommé. C'était une décision de l'Assemblée générale extraordinaire des actionnaires le 10 juin. La société spécialisée de la fabrication de savons, parfums, et autres produits d'hygiène et de lessive Unilever s'apprête également à suspendre ses activités au Niger. C'est du moins ce qu'a indiqué une des, responsables de cette société à notre reporter Adam Dawaki. Elle parle d'un probable licenciement collectif du personnel pour motif économique. Alors, Gary, comment expliquer et comprendre la fermeture de toutes ces usines au moment où le développement passe par l'industrie Mais le problème, c'est que les, les industries nigériennes ne sont pas ne sont pas protégés. C'est-à-dire qu'il y a mm. une concurrence déloyale de produits qui arrivent par l'importation. Mm-hmm. Par exemple, je prends le cas de la branigère. La branigère, parce que certains ont tendance à voir que le côté euh, fabrication de la bière, ce n'est pas seulement ça, elle fait aussi des sucreries. Mm. Mais dans le domaine des sucreries, vous voyez le nombre de, sucreries qui rentrent, de, des marques vraiment bizarres, qui sont parfois peut-être nocives même pour la santé, mm-hmm. qui rentrent dans ce pays-là, par camion, camion entier. Vous comprenez Donc, je pense que cette concurrence-là est, déloyale. Cette arrivée massive de produits de l'extérieur fait en sorte que la, Niger, qui, qui, produit des produits de qualité, supérieure par rapport à ceux, qui viennent du Nigeria ou etc. Ne fonctionne plus comme avant. Mais oui, mhm. mais la banlieue n'arrive plus à écouler ces produits parce que ces produits qui rentrent par l'importation par, sont souvent moins chers. de mauvaise qualité. oui. de mauvaise qualité, mais moins cher. Et mhm. comme le Nigeria ne connaît pas, il a tendance à vouloir chercher la facilité. Mhm. Alors, ce qu'il fallait faire, ce qu'il fallait empêcher c'est vrai, euh, on va dire qu'on fait du protectionnisme, mais <laughs> parfois certains pays, vous voyez ce que les États-Unis font. Les États-Unis, Donald Trump protège son, industrie, il protège la production américaine. Il faut qu'on arrive à ce stade-là où on va protéger nos. Tant qu'on ne fait pas ça, là, on ne peut pas protéger nos industries. Mm-hmm. Regardez concernant même Unilever. Unilever fait du savon, elle fait du détergent, etc., Mais vous voyez ce qui vient Des savons en boule, des savons du n'importe quoi qui rentre, qui arrive sur, les le marché. Mais ben il y, a différents modèles. C'est ça qu'il faut. <laughs> C'est-à-dire, tant qu'on ne prend pas une mesure pour mettre un frein, pour dire que bon, le Niger va essayer de protéger son industrie. Mhm. La vie belle, on va empêcher à ce que des savons de l'extérieur, on n'en a pas besoin. Si la vie belle peut, assurer l'approvisionnement de tous les foyers, on va essayer de protéger la vie belle mhm. Si la Brand Niger peut avoir euh, produit des boissons pour, toute la, pour les Nigériens, n'est-ce pas Eh bien, on peut le faire. Et ça va même permettre à la Brand Niger de réduire ses prix pour que les trucs soient abordables. Mhm, mhm. Voilà le problème. Et tant que, même si on fait, on arrive à, en tout cas alléger la fiscalité de ces entreprises-là, le problème c'est que le marché tel qu'il est aujourd'hui ne leur permet pas de vivre. Mhm. Les alternatives pour sauver ces usines sont multiples et aussi on sait que si ces entreprises ferment, ce sont des centaines voire des milliers de personnes qui font grossir le nombre déjà important de chômeurs, mais aussi des milliards de manques à gagner. Haj Suleiman, euh, êtes-vous de cet avis il me paraît évident que si une société ferme, euh, le personnel va en pâtir, ça c'est une réalité. effectivement, c'est bien regrettable, mais il faut examiner. je pense que je nous invite, euh, en tant que journaliste, à vraiment aller en profondeur, en tout cas, pour investiguer, voir si -hmm. ces est ont fermé parce qu'il y a trop d'impôts, ont tel fermé parce qu'il y a une mauvaise gestion. Mhm. Tout cela, c'est à savoir. Mais je pense que euh, en termes d'alternative, c'est pourquoi je pense que notre euh, pays, notre président en tout cas, est champion de la ZLECAF, qui est la zone de libre-échange, qui effectivement, véritablement, euh, va considérer qu'il faut au niveau du pays une réflexion, une vision, ou quels sont les produits qu'il faut mettre en avant, en tout cas qui puissent vraiment, qui ont un, avantage comparatif, et compétitif, mm-hmm. en tout cas pour le bien de notre pays. Mais euh, l'autre aspect, c'est que, de mon point de vue, il va falloir que qu'il y ait une saine gestion des entreprises. Mhm. Souvent, il y a la mauvaise gestion, c'est incontestable. Parce que lorsqu'on, par exemple, une certaine opinion voudrait nous faire croire que c'est la loi des finances qui a tué ces sociétés-là, j'en doute fort. Mhm. Par mauvaise foi, Orange a voulu fermer pour dire que c'est la loi des finances. Mais en vérité, il y a souvent certaines euh, intentions malveillantes, ou bien peut-être qu'on était habitué à avoir donc de, de, de, bénéfices comme ça, mhm, mhm. on sent que maintenant, franchement, moi par exemple, il faut regretter, mhm, avant même ces sociétés qui ne sont pas forcément des sociétés nigériennes, hein, il faut regretter pourquoi, par exemple, la société de textile euh, du Niger avait fermé depuis. Aujourd'hui, à la fête du défilé pour le travail, les syndicats sont, obligés d'aller, en tout cas, à l'extérieur, ici, au Bénin ou bien à, côté Cotonou, mhm. pour imprimer leur t-shirt pour, faire pour, pour fêter. Donc, on a besoin, pour une question de souveraineté, en tout cas, que l'État puisse créer les conditions, effectivement, que les, sociétés, en tout cas industrielles de, notre pays, en tout cas, puissent vraiment euh, éclore. Mhm. Euh, mais véritablement aussi au niveau de la gestion, qu'il y ait aussi un management, en tout cas, qui tienne compte, euh, franchement, des intérêts du, pays et aussi des travailleurs. Donc, euh, je pense que, véritablement, nous ne pouvons pas affirmer ici et là que les sociétés informées, parce qu'il y a trop d'impôts, mhm. il faut vérifier. Entre, les impôts et la mauvaise gestion, qu'est-ce qui, a primé en tout cas de la formation des sociétés. Mhm. C'est ça, je pense, le travail qu'il faut faire. Justement, s'agissant d'Orange Niger, Telecel, RCA et Rimbo Holding sont les deux sociétés encore de la course pour reprendre cette filiale du groupe français Orange. Et selon des informations exclusives obtenues par le journal en ligne confidentiel Afrique, Telecel RCA a présenté la meilleure offre financière et Rimbo Holding garantit mieux le plan social des travailleurs d'Orange Niger. Selon toujours confidentiel Afrique, Orange Niger affiche une bonne santé financière malgré son récent bras de fer avec les services des impôts du Niger avec un chiffre d'affaires réalisé fin 2017 de 66 milliards de francs CFA. Gary, quelle lecture faites-vous de cette situation non, vous savez, je pense que les, dirigeants d'Orange Niger étaient habitués à faire des arrangements n'est-ce pas mm-hmm. euh, et Pour pouvoir ne pas payer les impôts. Je crois que l'État du Niger a décidé que euh, il faut que les sociétés qui vivent sur le territoire national, en tout cas qui sont en train de d'évoluer sur le territoire national, puissent payer les impôts. Mm. Mais apparemment, Orange n'est pas de cette prédisposition-là. Ils sont tellement, ils ont tellement été, euh, je vais dire, déloyaux qu'ils considèrent que non, non. si c'est comme ça, s'il doit payer les impôts qu'il doit payer, parce que c'est ça qu'il faut lire, Oui, mhm. il ne peut pas vivre. On va, on va céder la société à quelqu'un. Mais tant pis. Mais il n'y a, y a, pas, a pas de problème. Si elle un peu le prendre, parce qu'elle a fait la meilleure, offre, moi, je pense qu'il faut voir celui qui peut. Si Rimbaud, qui était déjà euh, actionnaire principal. Mhm. C'est maintenant que les gens découvrent en fait cette information-là parce que les gens ne savaient pas qu'il était président du conseil d'administration d'Orange. Mhm, mhm. Assez, ah, il était l'actionnaire le, principal. Ça veut dire que c'est. Rimbo, Rimbo, était l'actionnaire principal, il était le président du conseil d'administration. Et vous savez, dans une société, le président du conseil d'administration, c'est le, gars, le gars qui a le plus d'actions dans la société. C'est ça que ça veut dire. Et donc, euh, vraiment, les, les, gens étaient étonnés, mais en même temps fiers aussi. Bon, s'il peut gagner ce, ce, ce, cette entreprise-là, c'est bien. Si RCA, euh, comment on appelle ça, la Move RCA peut, Télécel RCA peut, gagner. Tant mieux aussi parce qu'on dit que c'est elle qui fait la meilleure offre. Mhm. Lui, il garantit de conserver les emplois. Mais vous savez, parfois aussi, euh, conserver les emplois ne peut ne pas être une, option mhm. économique viable. Mhm, parce que c'est comme si on fait de la philanthropie, on fait de la pitié. Alors que dans la gestion d'une entreprise, c'est-à-dire il faut être vraiment pragmatique. Si vous savez que les 1000 emplois là qui sont au niveau d'Orange, quand vous les maintenez, ça va peser sur les, les, les, les activités de la, société, eh bien, vous ne le faites pas. Elle, celle RCA, elle a décidé que non, elle fait la meilleure offre, mais elle ne garantit pas de, de, conserver tous les mhm. emplois. Mhm. Je pense qu'il faut être pragmatique, il faut donner à celui qui peut faire vivre la société. Mhm. Parce qu'il ne sert à rien de garder les agents pour d'abord diminuer leur salaire. Vous voyez Diminuer leur salaire parce que c'est ça qui risque d'arriver. Et, et, comme si c'est le souci de conserver l'emploi seulement qui est important, mm. essayer de faire. Je pense que l'État doit faire le bon choix pour ne pas le regretter demain. Et là, Suleiman, selon vous, laquelle de ces deux sociétés pourra reprendre Orange Moi, ce n'est pas un problème, euh, quelle que soit la société qui, a, qui, qui prend ça, c'est du business. Ces gens-là sont venus faire de l'argent. Maintenant, le plus important qu'il faut préserver, c'est d'abord euh, les intérêts de l'État du Niger en payant justement effectivement les impôts, et la deuxième chose, les intérêts des travailleurs nigériens. c'est pourquoi, effectivement, il faut espérer que, puisque nous sommes vraiment en démocratie, il va y avoir des discussions avec mhm. ces deux preneurs. En fait, euh, l'option de dire, effectivement, on protège les emplois des gens, c'est une bonne chose. Mais Gary l'a dit, effectivement, il ne faudrait pas aussi faire un marché de parce qu'ils peuvent revenir là-dessus plus tard. Mhm, mhm. Donc ça peut être une politique de l'autorité, mais nous pensons que véritablement, il va falloir euh, discuter franchement mhm. euh, pour garantir les intérêts des autres, et particulièrement les intérêts de l'État et ceux vraiment des, Nigériens qui travaillent dans ces sociétés. Mais vraiment, quel que soit celui qui prend ça, ils vont faire du business, ils vont prendre de l'argent. Mais peut-être il faudrait aussi, pour une question tout simplement de fierté nationale, en Amérique, que ce soit justement un Nigérien qui Nigérien, justement, oui. Mais, mhm. justement, c'est ça l'erreur qu'il ne faudrait pas faire. C'est-à-dire qu'il faut bien se dire une chose. C'est-à-dire si on tombe dans l'erreur que, ah oui, c'est parce euh, qu'il qu'elle est nigérienne. Oui, oui. Lisa est nigérien. Donc, non, non, non. Je vous dis, en affaires, il n'y a pas de pitié, il n'y a pas de sentiment. C'est-à-dire qu'il y a deux offres qui sont là. C'est-à-dire qu'on oublie que Rissa est nigérien, on, examine son offre, mhm. on voit si son offre est la meilleure par rapport à celle de on lui donne. Mais si son offre n'est pas la meilleure, vraiment il n'y a pas de sentiment, il n'y a pas de pitié, il faut donner ça. Euh, euh, oui. sinon, par rapport à voilà. Mhm. moi je ne suis pas d'accord parce que quand Orange était avec les Français, mhm. mais vous savez très bien que l'argent rentre en France directement. Les gens partent d'une certaine osmose, les frontières l'argent euh, directement en France. Euh, je ne dis pas que Rumbo aussi va garantir tout ce qu'on voudrait. Mhm. Mais franchement, je pense que si véritablement il répond aux critères, en tout cas essentiels, pour préserver l'intérêt du Niger, il faut vraiment lui donner ça. C'est ce que j'ai dit, mais il ne faut pas qu'on mette du sentiment, parce que tout simplement, le Nigérien, on va le favoriser par rapport à l'autre. Euh, il faut, il faut pas faire cette Niger, mm. euh, Unilever et Orange sont toutes des entreprises avec des capitaux essentiellement français et dirigées par des Français. Vous, Elage Suleiman, quelle analyse vous faites de ça Bon, c'est pourquoi j'ai dit il nous faut en tant qu'homme de médias <laughs> investiguer. Parce que quand même, c'est assez curieux qu'au même moment, en tout cas, comme, une, comme se sont alertés, ils sont en train de quitter. Ça peut être que, effectivement le contexte euh, donc, euh, économique du Niger, en tout cas, ne leur pas favorable. Mais mhm. bon, je pense que de ce point de vue, il va falloir qu'il y ait assez de génie au niveau des Nigériens pour effectivement concevoir dans le même domaine, en tout cas pour les remplacer. Sinon, d'autres vont venir de l'extérieur, en tout cas les Américains, euh, en tout cas les Coréens ou bien les Chinois vont venir prendre la relève pour faire de l'argent. Oui, en fait, je voulais dire en quelques lignes, ça à dire qu'effectivement, le fait que ces deux sociétés-là, où les Français ont des actions, mhm. en tout cas annoncent leur départ dans une période de temps en 2019, c'est un peu suspect parce que ça donne l'impression qu'il y a une concertation, mhm. ça donne l'impression qu'il y a une stratégie qui est... <laughs> et et ça, ça nous gêne beaucoup. Nous allons marquer une petite pause avant de poursuivre cette émission. Les États-Unis d'Amérique ont offert la semaine dernière un lot d'équipements aux forces armées nigériennes engagées dans la force conjointe du G5 Sahel. Aussi, l'Union européenne a annoncé une aide budgétaire de 86 millions d'euros, soit 56,4 milliards de francs CFA à l'État du Niger, un appui qui concerne plusieurs secteurs de développement. Enfin, le Niger et la Banque africaine de développement ont signé mardi à Malabo l'accord de financement de 128,8 millions de dollars américain pour la réalisation du projet Kandaji de régénération des écosystèmes et de mise en valeur de la vallée du Niger. Outre toutes ces aides, l'on doit également parler des infrastructures financières financées par l'entreprise turque Suma. Garé, quelle lecture faites-vous de toutes ces aides à l'État du Niger mais le Niger est un pays crédible le Niger mm-hmm. est un pays. Oh oui, non, ça qu'on en déplaise à ce que certains peuvent dire. Mm-hmm. Le Niger est un pays qui est respecté. Le Niger qui est, un, est un pays qui est économiquement viable. Parce que, comme on l'a dit, on ne prête qu'aux riches. Est-ce que vous comprenez mm-hmm. Celui qui ne peut pas payer, on ne lui prête pas. Donc, le Niger a une économie qui est en bonne santé. Malgré tout ce que les gens peuvent dire, les aigris, les mauvaises langues peuvent dire, ce pays se porte bien. Ce pays-là, les partenaires une ont confiance à ce pays. Ce pays-là, les institutions internationales financières ont confiance en ce pays. Ils, sont prêts à injecter, ils sont en train d'injecter de l'argent. Donc, contrairement à tout ce qui peut être dit, n'est-ce pas ce pays-là est très bien géré. Mm. Et c'est parce que ce pays-là est très bien géré économiquement, qu'il est économiquement <laughs> viable, que les gens sont en train d'investir de l'argent. Et ce n'est pas fini c'est-à-dire que ça va continuer. Et je pense que avant la fin de l'arrivée, avant la fin du mandat de Youssouf Mamadou, les gens vont comprendre que le Niger est un pays vraiment qui est en train de en tout cas de sortir du seuil, en tout cas du secteur des pays, en tout cas très pauvres, pour aller vers les pays, en tout cas en voie de développement. Je ne dis mhm. pas les pays riches, parce que le Niger n'est pas un pays riche, mhm. il, est encore toujours pauvre. Mais c'est un pays qui est crédible, c'est ça qu'il faut retenir. Êtes-vous de cet avis, Alain Suleiman Oui, je pense que comme il y a des années, nous entendons ce genre d'aide ou bien d'action de, d'action dans d'autres pays en tout cas, comme la Côte d'Ivoire, en tout cas des pays qui ont vraiment des économies assez quand même euh, bien gérées. Mhm. Euh, mais de cela, de façon générale, moi, je suis de ceux qui pensent que l'aide au développement, en tout cas, n'est pas la voie idoine. Mhm. Elle est calculée, elle, est, elle a souvent des arrières euh, pensées donc, bref, le plus important, ça je le dis, effectivement, au risque de répéter Garé, c'est qu'effectivement, euh, quand vous regardez dans beaucoup de domaines, euh, les partenaires, en tout cas du Niger, euh, font confiance à, notre pays. Mhm, mhm. Ça aussi, c'est une réalité. Ça ne peut être expliqué que par l'impact d'une diplomatie qui est là en place, qui est portée d'abord par le président de la République, qui véritablement, je pense qu'au cours de ce deux mandats, il a fait montre véritablement, je vais dire, de de résilience euh, dans la mesure où, comme le pays, euh, le pays, en tout cas le Niger, euh, franchement, on a l'habitude de le dire, il n'est pas justement comme avant mhm. un pays qui fait de la figuration au niveau de ses relations avec les autres. Le Niger est très présent mhm. et les gens font confiance au Niger. L'exemple récent, c'est justement au, niveau du Conseil de sécurité. les experts qui savent de quoi il s'agit, le fait de passer de le premier tour à 191% et pendant votant sur 193, ça, c'est vraiment c'est un plébiscite, ça n'arrive pas mhm. tous les, tous matins. Mhm. Dès, le premier tour. Donc, véritablement, il faudrait qu'on se dise en tant que Nigérien, quand il y a des raisons d'être fier de ce qui est fait par les mhm. autorités, il faut les féliciter. Tout comme quand elles font mal, il faut, justement le, dire. Le, Aujourd'hui, par exemple, euh, on, quand on essaie de voir, malgré le discours qui est, tenu en matière de sécurité, Regardez par exemple, le Niger est, un pays, en tout cas, où notre capitale, elle est plus proche des terroristes que Bamako, que Ouagadougou. Mhm. Mais c'est plutôt ces pays-là qui reçoivent plus, de, en, tout cas, de, de, voyez ce que je veux dire Relativement, en tout cas, l'État du Niger arrive à, faire, à faire l'essentiel. Et je pense que, encore une fois, ce qu'il faut se dire, nous n'avons pas intérêt à démoraliser euh, les, Mais les, troupes. Suleiman, concrètement, comment expliquer qu'un pays puisse bénéficier autant d'aide N'est-ce pas un signe de pauvreté extrême euh, notre pays est pauvre, on ne le, cache pas. Mais il y en a qui sont pauvres, mais aussi qui, n'ont pas ces, aides. Donc en réalité, le plus important, parce que vous savez, entre critiquer, c'est trop facile. Quand vous êtes aux commandes euh, de, de, l'État, mhm. et c'est un signe de crédibilité que d'engager effectivement des ressources. Mm-hmm. Mais lorsque vous n'êtes pas crédible, lorsque votre gestion en tout cas euh, est, floue, euh, les partenaires regardent, mm-hmm. ils ne, ne, parlent pas le courant de la bourse. Mm-hmm. Donc, euh, il n'y a aucun doute, notre pays est pauvre, mais il y a des mécanismes qui sont mis en place effectivement pour, en tout cas, je vais tirer le pays vers le haut. Et je pense que c'est le plus important. C'est notre euh, travail, en tout cas, tout le monde, en tout cas, tous les Nigériens qui doivent le comprendre. Mais cette façon, en fait, que je veux dire, malveillante de voir le mal partout, <laughs> euh, je pense que ce n'est pas ça qui peut faire avancer le Niger. Garé, oui. Et ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, eh, eh, eh, tu n'investis pas de l'argent dans quelque chose qui ne marchera pas. Alors mhm. que si tu mets ton argent, c'est que tu es sûr que ça va marcher. L'argent, ça ne se jette pas là, par la fenêtre. Et puis cet argent-là, ce n'est pas de la charité. Ceux, que, ceux qui le donnent sont sûrs que ça va marcher. Mhm. Parce qu'ils ont eu déjà d'autres sommes qu'ils ont versées et qui ont porté leurs fruits. Donc, je pense que soyons optimistes, soyons vraiment euh, euh, engagés pour le développement du Niger au lieu d'avoir des idées noires tout le temps. Est-ce que vous pensez que toutes ces aides annoncées parviennent au secteur concerné mais, déjà, c'est une planification qui est faite. Est-ce que vous comprenez Si dans le cadre du P2S, de l'argent est mobilisé, ça veut dire que cet argent-là, c'est une planification qui a été faite de bout en bout. On sait là où cet argent-là va. Et quand les, euh, excusez-moi le terme, quand les Occidentaux vous donnent de l'argent, ils suivent la trace. Est-ce que vous comprenez mhm. Après, on évalue l'impact. Donc, s'ils ont donné maintenant, c'est parce que auparavant, ils avaient déjà donné. Et que ça a marché. Mais oui, mhm. et qu'ils ont constaté, ils ont évalué que c'était bon. Donc on continue à donner. Et le Niger va continuer à recevoir de l'argent. Et ce n'est que vraiment euh, euh, euh, quelque chose qui va faire du bien au peuple. Oui. Mhm. Donc justement, Gaël a dit, mais les experts en gestion nous le disent, en tout cas au niveau du ministère du Plan, ce n'est pas gagné d'avance. Ah, une annonce de, de, l'argent n'est pas de l'argent frais. Mhm. Les bailleurs de fonds, les partenaires ont leur conditionnalité et ils le suivent à la lettre. Dans le plus souvent, ils ont des techniciens ici avec nos techniciens pour travailler ensemble, la main de mhm. la main. Est-ce que la dose telle qu'elle a été allouée, est-ce qu'elle va effectivement mhm. Sinon, en plein projet, on peut bloquer un projet. Euh, donc, euh, vraiment, je pense que de ce point de vue, le souci véritablement, c'est de demander en tout cas aux, aux, gens qui doivent contrôler de faire consciencieusement leur travail, en tout cas pour le, pour le pays. Donc de ce point de vue, cela, en fait, c'est eux qui sont interpellés. Lorsqu'il y a une complicité maintenant, effectivement, une mauvaise foi, donc le goût de gain facile, effectivement, on peut se trouver, effectivement, où les gens peuvent se détourner. Mais l'argent des partenaires là, en tout cas, il veille au grain pour qu'effectivement ce ne soit pas jeté par la fenêtre. Oui, pour revenir un peu sur euh, la question de l'aide euh, des États-Unis qui ont offert la semaine dernière un lot d'équipement. Donc, on dit que euh, ce lot d'équipement n'était pas suffisant pour vraiment combattre le terrorisme. Qu'est-ce que vous pensez Oui, oh, mais les États-Unis ne peuvent que contribuer à leur <laughs> façon, selon leur bon vouloir absolu, pour aider le Niger. Mhm. Sinon, il appartient au Niger de, de créer les conditions et mhm. donner les moyens à nos FDS pour justement combattre le terrorisme. Mhm. C'est pas les, États-Unis vont à sécurité, vont assurer la, sécurité de leurs propres citoyens. Donc euh, c'est pourquoi d'ailleurs même euh, la, semaine passée on avait dénoncé le, communiqué que le font d'habitude les Français, les Américains, ils vont faire un communiqué pour appeler les citoyens du, pays d'accueil parce que quelques, quelques individus dans, dans, le pays. Non, il faut faire le communiqué à l'endroit des FDS alerter les forces de sécurité, pour, en tout cas assurer la, sécurité de tout, le monde. Mhm. Donc, euh, moi, je pense que ce n'est pas un argument de dire non, non. Et ce qu'il faut dire, euh, et je vois, je vois venir, c'est un peu ça, en fait, le débat qui intéresse l'opinion. Nous attendons, en tout cas, de ses partenaires, euh, les États-Unis, les Français, les Allemands, tous ceux qui sont là, en effectivement, en attend de, davantage de renseignements, davantage véritablement d'efficacité pour qu'effectivement leur présence peut se justifier que, effectivement, comme euh, l'autre fois à la veille de la fête, on a eu à 2 juillet mhm. donc des, euh, actions terroristes, en tout cas sur la base de renseignements précis, mhm. on voudrait véritablement de l'efficacité. Et ça, je pense que s'ils assurent ce, truc-là, leur présence, en tout cas, ceux qui sont en train de les critiquer pourront comprendre que véritablement, euh, encore qu'une fois, il, faut, il faut le dire, selon les gens qui savent, en tout cas, ce qui se passe dans la réalité, ils ne sont pas inutiles parce que simplement, jusqu'à preuve du contraire, selon, selon en tout cas euh, certaines euh, sources bien informées, c'est ce là aujourd'hui, quand aujourd'hui on identifie une cellule dormante de terroristes, si quelqu'un qu'il faut surveiller 24 heures sur 24 pendant un mois, pendant, pendant une semaine, c'est eux qui nous donnent, qui nous prêtent en tout cas ce, soutien. Mhm. Donc, par conséquent, nous pouvons, en tant que euh, profanes en matière de sécurité, souvent raconter nos boubas. Mais il y a que euh, euh, le président a l'habitude de dire que si, si les Français et les Américains n'étaient pas là, on va on, voit rien on voit on voit en tout cas peu de choses donc euh, véritablement je pense que aussi c'est la qualité du débat démocratique souvent de permettre aux experts en tout cas des gens qui maîtrisent la chose en tout cas avoir des enseignements, en tout cas comprendre comment les choses se passent mais sinon effectivement les gens ont comme décrété que on a des bases militaires sur le hmm. territoire qui ne servent à hmm. rien non ce n'est pas vrai je détiens en tout cas, moi, des, sources, en tout cas, euh, des gens qui sont en tout cas dans le domaine de, sécurité, que ces gens, effectivement, sont très, très utiles pour notre, mhm. notre, pays. S'agissant, Oui, s'agissant de l'aéroport et de euh, l'hôtel Radisson Blue, ce sont tous euh, des infrastructures qui ont été financées par l'entreprise turque Souma. Que retenir, que dire de ce geste vraiment, M. Gary c'est-à-dire que, euh, comme je vous dis, la coopération internationale, ce n'est pas une question de charité, cest à c'est vraiment gagnant-gagnant. Nous, on gagne en infrastructure parce qu'au lieu d'investir nos propres sous, ce que cette entreprise-là, elle met, c'est comme les rails de Bolloré. Mhm. En réalité, les gens pensaient que le Niger a, versé de l'argent pour faire les rails. Le Niger n'a rien mis. C'est Bolloré qui construit ces rails. C'est lui qui va avoir la rentabilité quand ces rails-là vont être fonctionnels. Le Niger n'a rien mis. Les gens mhm. ont raconté n'importe quoi. on a suivi pendant. Oui, oui. Donc, vous voyez, donc ce total-là, si si on devait le construire nous-mêmes, ça va être très lourd. Mhm. L'aéroport, si on devait le construire, ça va être très lourd. Mais on a la chance d'avoir des gens qui vont le construire, mais bien sûr, ils ne le font pas par charité. Et bien sûr, euh, euh, ils vont avoir leur, argent au bout de ce nombre d'années. Il n'y a aucun problème. Mhm. L'essentiel, c'est que c'est notre infrastructure, elle, reste pour nous. Maintenant, les gens ont parlé aussi, tout à l'heure, vous avez évoqué la, question de, on dit que oui, ce que les Américains ont donné, c'est peu. Mais moi, si j'ai un problème de 10 000 francs, et que ça me donne 2000. Suleiman me donne 2000. <laughs> Est-ce que je dire Mais c'est bon déjà. Ça dit dire que le Niger, les États-Unis ne sont pas les seuls partenaires du Niger. Mm. Il y a beaucoup de partenaires. Il y a la France, il y a d'autres pays. Donc c'est l'ensemble là qui va nous permettre. Il ne faut pas s'attendre à ce que le Niger, euh, euh, tout des États-Unis viennent au Niger pour aider le Niger. Non les États-Unis contribuent de la même façon que la France contribue, les autres pays contribuent. Mhm. Donc c'est ça qu'on fait, qu'on peut appeler. Donc je mhm. pense que ces infrastructures-là qui ont été construites avec des fonds extérieurs, n'est-ce pas, c'est une bonne chose. Je crois qu'on doit tendre vers cela. Si le Niger veut se moderniser, si le Niger, si la capitale Niamey veut être une capitale comme les autres capitales de la sous-région, avec assez d'infrastructures, mhm. je pense qu'il faut qu'on tende vers là-bas. Et bien sûr, celui qui vient, qui investit, il attend à avoir des retombées. Ce n'est pas, ce n'est pas mauvais, vous comprenez. il faut qu'on arrête de considérer que non, euh, excusez-moi l'expression, le blanc qui amène son argent, qui ne cherche pas à bénéficier, à avoir des bénéfices. Mais non, mais c'est ça les affaires. On investit parce qu'on veut avoir des bénéfices. Mhm. Ce n'est pas un crime ça. Il faut qu'on arrête de penser que non, non, ce n'est pas normal. Ah, ils ont amené l'argent, c'est parce qu'ils veulent. Mais alors, c'est mauvais d'avoir des bénéfices eh, Ce n'est pas mauvais. Ok. Et là, je, man pour euh, vraiment clôturer, euh, que dire vraiment sur toutes ces aides que le Niger reçoit Qu'est-ce qu'on doit attendre de plus hein, pour les euh, je, je, le dis de façon Mais J'ai dit, moi, fondamentalement, de, ceux qui pensent que l'aide au développement, en tout cas, n'est pas la voie idoine pour développer le pays. Mhm, mhm. Mais euh, il se trouve que, euh, pour le moment, c'est tout simplement nécessaire de coopérer. Nous sommes dans un cadre aujourd'hui où les problèmes sont planétaire vous ne pouvez pas en tout cas être euh, vraiment dans une autarcie. Mhm. Non, il faut s'ouvrir aux autres pour effectivement avoir non seulement partager les bonnes expériences, les bonnes pratiques, mhm. euh, avoir leur, appui. C'est comme ça, effectivement, tous les grands pays, c'est ce que nous, sommes, nous, avons dit à travers justement ce qui vient d'être réalisé. C'est comme ça qu'effectivement le pays va véritablement euh, amorcer son développement. Il faudrait qu'on comprenne que véritablement, nous ne sommes pas une modèle, on ne pas fait une autarcie, c'est-à-dire que non, on a tous les moyens pour se développer. Non, ce n'est pas vrai. On a besoin, au moins, on a des ressources euh, naturelles, mais on a besoin de l'apport technologique des autres. La preuve, euh, on a donné aussi, effectivement, il n'y a pas, les autres ne sont pas venus. On va me dire effectivement que Maintenant, au niveau du partage, peut-être qu'il y a un, partage inégal où mhm. effectivement le partenaire a été vraiment prend tout pour nous donner des miettes. Mhm. Ça aussi, c'est au niveau maintenant du pays, puisque le pays a des lois. Il doit effectivement se donner les moyens de effectivement les lois pour que le pays puisse tirer en tout cas euh, le maximum en tout cas de ses, de ses ressources. D'accord. Et M. Garrier, votre euh, mot de Oui, ce que j'ai dit, c'est qu'il ne faut jamais oublier un détail extrêmement important. Le Niger est un pays pauvre il faut qu'on arrête de, se bomber le torse pour dire que ah, non, non, on n'a pas besoin. Non, non, on a besoin de l'argent de l'extérieur. C'est un pays pauvre, il hein. ne faut pas, faut pas penser que oui, on a le pétrole, on a Non, non, non, on est pauvre. Et quand on est pauvre, n'est-ce pas, on reçoit de l'aide. Et l'aide, là, on va continuer à la recevoir. Un jour, le Niger peut-être sera... Même les États-Unis sont endettés. Est-ce que vous le mhm. savez ça Les États-Unis sont endettés. C'est le pays le plus mhm. endetté du monde. Pourtant, pourtant, c'est une grande puissance. Mais la dette, ce n'est pas, la dette, pas une, honte. Mhm. Parce que il faut s'endetter pour pouvoir investir et se développer. Ce n'est pas mauvais. Et d'ailleurs, comme je l'ai dit, le mot de la fin, c'est qu'on ne prête qu'aux riches. D'accord. Voilà. C'est ici que se referme le forum de la presse de ce soir. Nous avons débattu ce soir de la réception mardi de l'aéroport Jory rénové et de l'inauguration de l'hôtel présidentiel Radisson Blue de Niamey il a été question de la fermeture possible de la Société des brasseries du Niger, Bras Niger et du nilever la société de fabrication de savons, parfums et autres produits d'hygiène, ainsi que du rachat envisagé de la filiale d'Orange Orange Niger. Les différents dons étrangers à l'État du Niger ont aussi fait partie de cette émission. Nous avons donc débattu avec El Haj Suleiman du journal en ligne Niger Inter et Garé Amadou, journaliste au quotidien. C'est la fin de donc de ce forum. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas le nouveau programme Jeunes, c'est samedi et dimanche dès 17h avec l'actu des jeunes en cinq langues suivies de tous à la FADA. Et à partir de 18h15 samedi, le forum à Hausa et celui en Zarma dimanche à 18h15. C'était Nefissa de moi, la présentation. Au revoir.